350 millions ci sunuy koppar moom la mairie Pikine génn si ay bourse yu mu jagleel étudiants yi gannaaw bi nga xam ne dafa lëkkaloo ak kuréel bu ñuy wax centre africain de complémentarité scolaire universitaire et de promotion CACSUP bi nga xam ne Ibrahima Eloua Sarr moo ko jiitee Ablaye Timbo bi nekk mairie Pikine andi nañ ci ay leeral. dañu am bourse ci Pikine war a am bourse bi pendant 3 ans. li ñu leen di laaj rek mooy bu ñu redoublé loolu nag commencé nañ depuis ñu ngi koy def montant bi nga xamante ne moom lañ ciy def toll na actuellement si 350 millions accompagné xale yi ndax ñu mun a am ay qualification moom sax ba tey yëkkati na ay kàddoom di ne fas nañ tabax beneen lycée pour arrondissement Pikine daan ngir gën a mën a yombal njàng bi ndongo yi toujours ci éducation tabaxoon nañ benn collège fas nañu tamit incha allah rabbi tabax benn lycée ci arrondissement Dagoudane fi ñu jàppoon moom mooy xaalis bi ko war a tabax am nañu ba pare muy ci benn cérémonie bi nga xam ne amaloon na ko doon joxe bourse jot naa jeexal ay kàddoom di sàkku ci étudiants yi am bourse yi daal farlu ci njàng ngir bañ a rusloo seeni waajur rawatina waa mairie bi. 350 millions de nos francs, c'est le montant décaissé par la ville de Pékin au profit des étudiants de la localité pour des bourses d'études grâce à son partenariat MURU avec le Centre africain de complémentarité scolaire, universitaire et de promotion CAPSU que dirige Brahim Elouassar Ablaï Timbo. Maire de Pékin revient ici sur son importance. Le Pékin bénéficiaire euh, pour la première année en 2015 quand on l'a démarré, c'était 1064 étudiants. Nous, la convention que nous avons avec le CAPSU, c'est de donner des pour trois années successives jusqu'à l'obtention de la licence. Le montant global que la ville de Pékin dégage euh, pour euh, la formation est de 350 millions. Nous tenons vraiment à accompagner la jeunesse, à lui donner les moyens, à les capacités pour pouvoir s'insérer dans le milieu de la production. Il promet d'ailleurs la construction très prochaine d'un autre lycée pour l'arrondissement de Pékin Dagoudan en vue d'améliorer l'offre éducative dans cette zone. Nous sommes en train de travailler vraiment à améliorer le plateau technique. Nous l'avons déjà fait par la construction d'un collège qui est fonctionnel depuis trois ans. Et nous avons pris l'initiative aussi de construire un lycée dans l'arrondissement de Dagoudan. Le budget est déjà mobilisé, c'est un budget de 1 milliard 400 millions. Pour l'instant, l'option c'est de le faire à Delifort, si vraiment le site est disponible. Abdoulaye Timbo a conclu ses propos au cours d'une cérémonie de réception de ses bourses dédiées aux étudiants pour appeler ces derniers au culte du travail pour ne pas décevoir leurs parents et l'institution municipale.